Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la grogne sociale consécutive à la hausse du prix du gasoil à la pompe au Niger. Ensuite, nous parlerons de la fête de Bianou ou la grande manifestation culturelle et religieuse de l'Aïr célébrée à L'actualité internationale euh, de ce forum s'intéresse aux résultats provisoires des élections législatives euh, du Sénégal proclamées jeudi 4 août 2022. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Elhaj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Elhaj Mohamedou Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Maimouna Diado, journaliste indépendante. Maimouna Diado, bonsoir. Bonsoir. Et Ousmane Sidikou, journaliste indépendant également. Ousmane Sidikou, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 12 août 2022 par la grogne sociale consécutive à la hausse du prix du gasoil à la pompe au Niger. Le front social en ébullition au Niger, l'augmentation du prix du gasoil à la pompe était cette semaine au centre d'une série de déclarations des centrales syndicales et plusieurs organisations de la société civile qui rejettent le nouveau tarif du gasoil. Ainsi, après les responsables des centrales syndicales, le président de la République, Bazou Mohamed, et son gouvernement ont échangé avec des responsables des structures de la société civile, des syndicats, des commerçants et ceux du secteur des transports. Rappelons que le gouvernement du Niger a décidé à partir du 1er août 2022 une augmentation du prix du litre du gasoil qui passe de 538 francs à 668 francs CFA à la pompe et sur toute l'étendue du territoire national. Alaj Mohamed Suleiman, que peut-on retenir ou savoir au sujet de cette hausse du prix du gasoil à la pompe au Niger ben, que je constate, euh, toute la semaine en tout cas, cette actualité a focalisé l'actualité où après donc l'annonce par le ministre du commerce donc le 31 juillet que le premier on allait donc observer une augmentation de 130 francs sur le litre du gasoil donc euh, immédiatement la société civile les syndicats donc euh, ont fait des déclarations en tout cas il y a eu beaucoup pour, de euh, déclarations absolument, cette semaine pour dénoncer cela, pour dire que certains disent qu'il faut absolument que le gouvernement revienne euh, sur sa décision. Bref, entre-temps, le samedi dernier, donc, euh, le président de la République avait euh, donc reçu donc, la société civile, les syndicats, les centrales syndicales, pour donc discuter, parce que nous, sommes en démocratie, même si son gouvernement a fait le communiqué, il doit euh, absolument dialoguer avec euh, donc euh, les forces, les, forces vives. Dialogue, La démarche. S'agit-il d'un dialogue ou bien c'est une, tentative d'explication Bon, donc, ils ont dit effectivement la démarche aurait été donc euh, d'abord discuter avant l'augmentation du prix. Mais vous savez, le gouvernement ne procède pas de cette façon puisque le gouvernement considère que des gouverneurs prévoir, il fallait éviter la pénurie puisqu'ils disent que eux, ils ont choisi euh, entre augmenter ou bien euh, assister à une pénurie, à croire ou à ne pas croire, en tous les cas, c'est l'argument euh, du gouvernement. Maintenant, est-ce que cet argument vous paraît un peu, peu plausible ben, Une chose est sûre, le phénomène d'inflation, il est mondial lié donc à la crise. Mais le Niger produit son propre pétrole, le, mais, est produit au, Niger. Mais, justement, mais le phénomène de transport, euh, fait que ceux qui, font le transport, qui amènent les marchandises, les parce que les gros porteurs utilisent le gasoil. Donc ceux qui viennent de l'extérieur euh, en, apportant les, marchandises, dans tous les cas, le phénomène de, la pénurie aurait été causé par l'opportunisme donc des voisins, des riverains, qui considèrent que le, le, est moins cher au Niger, donc par conséquent, il faut venir se ravitailler. Donc le gouvernement avait considéré que, puisqu'il dit que en rien de temps, de 23 000, euh, je crois, le, constat donc de, de euh, ça s'est passé donc du simple au, double. Donc il s'est rendu compte que cette hausse de la consommation est liée certainement euh, au fait que les, les, voisins en tout cas viennent. par conséquent, ils ont considéré qu'il fallait donc augmenter et ils ont tenu compte donc du prix du Bénin, du, parce que dans la sous-région, en tout cas, euh, selon en tout cas le gouvernement. Vous avez été convaincu par cet argument Mais les statistiques, les chiffres, on les vérifie. Et effectivement, c'est vérifiable que dans la sous-région, le Niger est moins, cher que son gasoil. Donc ça, il n'y a pas à, discuter, c'est une, vérité, parce qu'on ne peut pas contester les faits. Donc, euh, c'est seulement le prix du le Bénin qui se trouve un peu à peu près le, prix. Mais les autres pays, le Nigeria, le, Burkina, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tous les autres pays voisins, hein, le, euh, ils vendent plus, cher que nous. Donc, ici, en si vous voulez, moi, la question que je, je, je pose, et ça, je pense le, débat avec les, les, les syndicats, même s'il y a augmentation, on doit faire en sorte que cette euh, augmentation du prix se gère bien que ça Parce que déjà, en fait, avant l'augmentation, la vie coûte très cher ici au, Niger. Donc, il faudrait que c'est le devoir du gouvernement de faire en sorte qu'effectivement, cet acte ne vienne pas aggraver, en tout cas, les conditions de vie des Nigériens. Je pense que c'est cela la question, et c'est pourquoi je pense que avec le, le, et la société civile, il est question de réfléchir comment justement minimiser donc ces risques et je pense que l'accord qui a été trouvé le, protocole d'accord qui a été signé avec donc, un certain nombre de partenaires et les nations effectivement à considérer il y a des secteurs qu'il faut épargner parce que si effectivement tout le monde va faire aussi. Euh, quels sont, euh, euh, ces secteurs Par exemple, le, secteur des de, transports, le secteur par exemple aussi au niveau de, au niveau de commerçants, effectivement, si tout le monde devait, augmenter les prix comme, comme il l'entend, on ne va pas s'en sortir. Donc par conséquent, le gouvernement doit, doit veiller, mais il faut être vigilant. Parce qu'on l'a vu, ça, ah, depuis le ramadan, en tout cas, où le gouvernement avait pris des mesures, il n'était pas, n'a pas été capable, en tout cas, de, respecter. Absolument, de respecter. Donc, par conséquent, c'est bon de dialoguer. Moi, je pense que euh, c'est quand la démocratie qui est en train de gagner parce que, ça aurait été le contraire. Le gouvernement fait son communiqué, il applique sa mesure et on passe. Mais je pense que quand le président de la République avait appelé les gens, et vous avez vu, vraiment, le débat était très, très chaud. les gens ont dit ce qu'ils pensent. Et même après la rencontre avec le président, on se rend compte, effectivement, ceux qui ne sont pas convaincus sont en train d'envisager, en tout cas, de faire des actions. Ousmane Sidikou, quelle est votre opinion au sujet euh, de la série de rencontres entre l'exécutif euh, nigérien et les responsables des organisations socioprofessionnelles au Niger Initialement, euh, l'initiative a été saluée unanimement mais euh, pour ce qui concerne l'actualité à travers cette hausse du prix du gasoil, euh, moi je pense que c'est après coup. Je l'a si bien dit parce que c'est la démocratie et justement au nom de cette même démocratie, il aurait fallu avant même l'application de cette mesure de ratisser l'âge en concertant les différentes couches socio-professionnelles comme ils sont en train de le faire en ce moment. Ça, c'est un. De deux, la preuve après consultation des différentes couches, on a bien vu qu'elles sont en train de monter au créneau pour critiquer de vous voir. C'est là où je demeure sceptique par rapport au protocole d'accord signé. Parce que tout le monde a souvenance que euh, rien qu'avec euh, le prix du gaz domestique, le gouvernement a clairement dit voilà les prix en fonction du, kilogramme kilo. sur le terrain, donc qu'est-ce que va valoir ce protocole-là et quels moyens, je dirais pas de contorsion, aura l'État pour veiller au grain. Déjà, quand on sait que, euh, notamment, il y a certaines compagnies même de transport qui ont augmenté le billet. Maintenant, quelle mesure ou bien quelle manœuvre, quelle marge de manœuvre aura l'État pour vraiment, euh, je ne dirais pas contraindre, pour veiller à l'application et au respect strict de ces accords ça, c'est un. De deux, vraiment, cette hausse, moi, je rejoins vraiment la majorité. du coup, après, après cette mesure, euh, la décision du gouvernement, vous avez fait un tour au marché eh, effectivement, eh, vous savez, il n'y a pas plus véreux que nos, commerçants. C'est l'occasion qui a créé le larron. Donc, aussitôt, eh, vraiment, les denrées, vous avez vu sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que l'augmentation des produits laitiers. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Dieu seul sait la partie invisible de cet iceberg-là. Et quand on voit le, pouvoir d'achat du Nigérian aujourd'hui, qui ne fait que s'amenuiser, c'est pour ça que beaucoup pensent que vraiment cette mesure n'a nullement pas sa raison d'être. Certes, les concertations ou bien les consultations se sont faites, mais vraiment, je pense que l'argument massu avancé par le gouvernement est loin de convaincre. La preuve, vous voyez, le tollé, bien qu'après qu'ils aient à consulter les différentes couches socio-professionnelles, le tollé que ça est en train de susciter. Voilà, le tollé que c'est en train de susciter, vu euh, les prises de position des uns et des autres, euh, l'antagonisme que cela a créé entre euh, l'exécutif nigérien et les organisations socio-professionnelles, jusqu'où ira cette affaire Only God knows. Seul Dieu sait. Diado, les opérateurs économiques et les associations de défense des consommateurs ont finalement euh, signé un protocole d'accord, El Hadj l'a rappelé tout de suite, avec euh, le gouvernement mardi 9 août. Avez-vous d'autres euh, précisions au sujet des termes de ce protocole d'accord je n'ai pas augmenté beaucoup de choses là-dessus, puisque déjà mes deux confrères ont vivement donné leur point de vue par rapport à cette situation. Mais tout ce que je sais, c'est que la signature entre la signature du protocole d'accord entre les commerçants et les transporteurs ainsi que le gouvernement est tombée à un moment où euh, les, prix des denrées et également les prix des billets hein, puisqu'ils ont augmenté. Ils ont augmenté sur les billets de transport, il faut le dire. Et jusqu'à la date d'hier, moi, je ne sais pas s'ils sont revenus à de meilleurs sentiments, puisqu'ils disent que euh, ça prend effet à la date de, la signature du protocole d'accord. Mais, sur le terrain, ce n'est pas ce que nous nous constatons. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout simplement, c'est un, un papier qui a été signé entre trois personnes, trois personnalités, et dont l'acte jusqu'à présent reste à désirer. Selon vous, ni le gouvernement, encore moins les, syndicalistes ne vont pas respecter ce protocole d'accord. Mais du moment où ils disent que, quand je prends le secteur de transport, les gares modernes, du moment où ils disent que ça prend effet à compter de la signature du, protocole, d'accord, et quand vous partez au niveau donc de ces gares-là, vous constatez que le billet, les billets, rien que le billet sur Zender, ça n'a pas changé. Ça veut dire qu'ils ont maintenu ça à 15 500, ils ont fait une augmentation de 1500, alors qu'ils devraient revenir à des meilleurs sentiments et revenir avec le billet de 14 000, comme tout le monde le connaissait avant. Mais non, ça n'a pas été fait. Donc moi, je ne vois pas le protocole d'accord, puisque eh, Sidi l'a rappelé tout à l'heure non seulement avec le gaz, le gouvernement n'a pas pu faire fléchir ses vendeurs de, gaz, mais comment est-ce que le gouvernement va s'y prendre avec ces commerçants-là et avec également ces gares modernes c'est ça le problème. Il ne s'agit pas de signer un protocole d'accord, mais il faut suivre ce protocole d'accord. Il faut respecter ce protocole d'accord. Il faut que les autres Nigériens qui partent en voyage ou bien qui, achètent les produits dans nos différents marchés sachent que vraiment, véritablement, il y a un protocole d'accord qui a été signé. Parce qu'aujourd'hui, si moi je devrais voyager sur Zender, par exemple, et qu'on me dise que le billet c'est à 15 500, mais je vais faire sortir le protocole d'accord parce que je vais demander qu'on m'explique, qu'on m'explique parce que je suis dans mes droits de savoir comment est-ce que jusqu'à présent le prix est maintenu ainsi alors que ça devrait devenir être à 14 000. Ça veut dire ici aussi, il ne faut pas narguer les, Nigériens, il ne faut pas amener les Nigériens dans un bateau vide et les laisser au, milieu de, euh, l'océan. Mme outre le secteur du transport, sur le marché, plusieurs produits et services ont déjà connu une hausse euh, des prix. Comment ramener la sérénité au Niger la sérénité, là, c'est nous et les commerçants. Les commerçants doivent savoir que c'est pas parce que on suppose que le gasoil aujourd'hui, le prix a augmenté de 130 francs, qu'il faut nécessairement sur des produits qui sont fabriqués ou bien qui sont cultivés ici au Niger, qu'on ne puisse pas avoir ces produits-là moins chers et que ça ne fait que euh, augmenter de prix. Quand vous regardez, déjà, il y a la hausse des prix. Et avec les 130 francs aujourd'hui, les gens ne font pas de calcul. Ils augmentent 100 francs, 200 francs sur un produit ou 300 francs sur un produit. Donc comment est-ce qu'ils veulent que nous, nous puissions euh, véritablement vivre, euh, supporter ça C'est un coût. Et moi, je me dis que euh, les raisons de l'augmentation du gasoil, du prix du gasoil à la pompe, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, puisque si aujourd'hui vous dites que c'est des pays voisins qui viennent acheter le gasoil parce que c'est moins cher. Alors que les Nigériens utilisent aussi. Oui, c'est moins cher ici, mais il faut essayer de faire une exploitation, euh, euh, exploiter ou bien euh, comme, essayer de faire une production qui, qui peut soutenir et essayer de voir que peut-être que ceux qui viennent acheter, faites en sorte que ceux qui viennent acheter achètent ça au prix que vous, vous voulez, mais pas nous, les autres Nigériens. Alaji Mahmoud Souleyman, au-delà de la grogne provoquée par la hausse euh, du prix du gasoil, une quinzaine d'autres structures euh, de la société civile regroupées au sein du mouvement M62 demandent également le départ de l'armée française Barkhane au Niger. Quelle est votre opinion à ce sujet ben, Je pense que c'est juste un peu de l'opportunisme le débat déjà existe, donc euh, c'est une sorte de confusion de genres. Donc mélanger les choses euh, selon l'opportunité. Donc euh, effectivement, la question du gasoil mobilise. Donc par conséquent, ceux qui ont cet agenda voudraient effectivement le rattacher avec la lutte. Euh, pour la vie chère, quoi, contre la vie chère, j'allais dire. Donc, pour conséquent, euh, c'est une, une, posture. donc, l'occasion fait le larron, comme on dit. Donc, mais de mon point de vue, euh, la question, ce qui risque d'arriver, c'est que les gens risquent d'être divisés parce que déjà, avec la signature du protocole d'accord, vous avez vu en tout cas les structures euh, qui ont la même mise dans la, dans la vraie économie, ceux qui sont engagés. Maintenant, euh, au niveau des, des, des, centrales syndicales également, il ne me semble pas que ce soit la Par conséquent, si on ne fait pas attention, on risque de voir les gens un peu divisés et ça pourrait effectivement émousser les des uns et des autres. On observe une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse, la fête de Bianou, l'expression d'un héritage socio-culturel jalousement conservé dans l'Aïra, commencé samedi 6 août a pris fin mardi 9 août 2022 dans la grande cour du sultan de l'Aïra, Oumarou Ibrahim Oumarou. Des centaines de personnes habillées en tenue traditionnelle et spécifiquement pour la fête ont rivalisé euh, de danse et de fair play euh, qui donne au Bianou toute la dimension socio-culturelle qu'il renferme et ce depuis la nuit des temps. Le gouverneur de la région a salué et remercié les organisateurs qu'il a invités à s'investir pour euh, conserver cette culture de l'Abzina. Le sultan de l'Aïr Oumarou Ibrahim Oumarou a saisi l'occasion pour euh, remercier à son tour les festivaliers et les nombreux invités venus de toutes les contrées du Niger et de certains pays. Ousmane Sidikou. Cette année encore, le grand rassemblement de Bianou s'est tenu dans la sérénité et la solidarité. Les chefs des groupements et tribus ont une fois de plus saisi une occasion pour renouveler leur confiance au sultan de l'Aïra. Au-delà des festivités et des moments de réjouissance, qu'est-ce que le Bianou symbolise pour un ressortissant de la région d'Agadez. C'est une euh, fierté pour même euh, un Nigérien, à plus forte raison, un enfant euh, du terroir. Le Bianou, c'est vraiment cette richesse culturelle, vous l'avez si bien dit, qui ne date pas d'aujourd'hui, il date depuis la nuit des temps. Et vraiment, à travers ce rendez-vous culturel du donner et du recevoir, de brassage socio-culturel, qui ne peut que contribuer au renforcement de la cohésion sociale renforcer le dialogue intercommunautaire dont la région, à l'instar des autres régions en proie à sécurité, en a grandement besoin. Donc vraiment, euh, on ne peut que s'en féliciter et c'est à l'honneur du sultan de voir tous les chefs des groupements et tribus leur renouveler leur euh, confiance. Moi, je pense que c'est vraiment euh, une expertise à pérenniser. Maintenant, indépendamment que ce rendez-vous se fasse tous les ans, moi j'aurais voulu que, à l'instar d'autres rendez-vous dans les autres pays, pourquoi ne pas inviter d'autres communautés de certains pays pour qu'ils viennent voir et s'enrichir euh, de ce, de ce joyau qu'est le Bianou. Avant tout, c'est vrai, c'est des réjouissances, mais euh, l'autre aspect, je le disais tantôt, c'est le renforcement de la cohésion sociale, le renforcement du dialogue intra et intercommunautaire, surtout que la région est en proie à l'insécurité, moi je pense que ce serait de nature à raffermir davantage les liens sociaux, culturels. Et moi je pense que c'est un modèle à être exporté dans les autres pays et pour que cela fasse école, notamment les pays comme le Niger en proie à l'insécurité. C'est une bonne chose, c'est à l'honneur des festivaliers, c'est à l'honneur du comité d'organisation, c'est à l'honneur de toute la région d'Agadez au-delà du pays tout entier qu'est le Niger. Ousmane Sidikou, au-delà de la région d'Agadez, est-ce que le gouvernement ne peut pas faire assez pour euh, promouvoir et pérenniser euh, cette manifestation culturelle et religieuse que le Bianou Tout à fait. Donc, euh, chaque région, en fonction de ses spécificités, Agadez aujourd'hui est reconnu pour son Bianou, pourquoi Tilaberi serait reconnu pour son, je prends au pif comme ça, pour son Biti, Maradi. C'est-à-dire, vraiment, c'est de, il faut que cela fasse tâche au lieu de laisser aux seules régions organiser cette manifestation, est-ce que le gouvernement ne peut pas s'approprier l'initiative pour euh, faire en sorte que euh, la cérémonie soit davantage grandiose? Bon, si le gouvernement décide vraiment de s'en approprier en, le, en parrainant les, les activités, c'est une bonne chose. Mais d'ores et déjà, du seul fait que même qu'il y ait des comités d'organisation, il faut qu'on aille palier par palier. Maintenant, si le gouvernement décide de tout prendre à bras le corps, pourquoi ne pas responsabiliser euh, à travers les comités d'organisation que chaque région ait euh, sa, fête euh, culturelle et socioculturelle Moi, je pense que ce serait une bonne chose. Ainsi, d'ailleurs, on pourrait tendre vers à son exportation pour que cela aussi serve de modèle et que nous puissions davantage nous enorgueillir. Mamouna Diado, le Bianou est une fête à caractère culturel et religieux qui n'existe nulle part au Niger que dans la région d'Agadez. Cette fête se déroule aussi bien à Agadez qu'à Arlit et Ingala. Pourquoi cette particularité et cette spécificité selon vous mais vous l'avez dit, c'est une fête qui existait depuis la nuit des, temps. Donc, ça à, Agadez. Ça veut dire que tout simplement, c'est quelque chose qui est conservateur là-bas. C'est une fête annuelle qui se tient chaque année. Et vous avez vu, c'est, ça, ça, ça, ça, se tient uniquement devant la cour euh, à Agadez, euh, au niveau de la cour du euh, sultan, de l'Aïr. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire c'est une particularité pour cette région d'Agadez. C'est à travers cette cette, fête bien C'est c'est aussi religieux. Oui, c'est aussi religieux. Donc ça veut dire que c'est vraiment comme tu l'as si bien dit, il y a des, des choses, des pratiques qui se font et que ils ont besoin de consolider, ils ont besoin de conserver cette cette pratique moi, je me dis que vraiment, comme l'a dit les, les Sidikou, chaque région a sa particularité, sa spécificité au niveau donc euh, d'une fête, d'une fête. Bianou, c'est une fierté pour la région d'Agadez. Puisque quand on parle de Bianou, on sait déjà où ça vient. Et avec les artistes, il y a un artiste qui avait chanté déjà Bianou, donc euh, qui relate, qui démontre, qui explique c'est quoi Bianou en, en, quelque sorte. Et c'est très bien. Et je me dis que ça fait également euh, amener d'autres populations euh, des pays voisins, comme ceux qui sont juste à côté. Il y a la Libye, il y a l'Algérie, il y a des gens qui viennent pour pouvoir euh, vraiment e-, faire partie de cette fête. Regardez comment est-ce que ça se passe, parce que c'est une occasion. Moi, je suis ici à Niamey. Si ça me plaît aujourd'hui, je peux prendre euh, mon bus, aller uniquement pour pouvoir voir comment est-ce que ce brassage se fait au niveau donc euh, de d'Agadez. Et je pense que c'est très bien. Il faut les encourager. Il faut essayer euh, de voir comment est-ce qu'il faut euh, essayer d'améliorer la fête là, tout en gardant la manière dont ça se déroule. Donc, le format, ne pas, en tout cas, déformer le format, puisque quand on déforme le format aussi, c'est pas bon. Est-ce que le président de la République ou bien son haut représentant ou même le Premier ministre ne peuvent pas assister à, cette manifestation culturelle et religieuse Pourquoi pas pourquoi pas Je pense que c'est en assistant euh, en voyant la présence euh, du, président de la République ou la présence euh, du, premier ministre. ou le, haut représentant, ça donne encore une autre identité, une autre force donc à, cette fête bien. nous, Je me dis que c'est une bonne, une bonne chose. dorénavant, il faut que peut-être dans l'agenda du président qu'on essaie d'insérer ça pour que au moins ne serait-ce que parce que c'est un message qu'il peut faire passer au moment de cette fête. Nous sommes dans une euh, situation d'insécurité et je me dis qu'avec sa présence, il peut faire véhiculer beaucoup de messages qui va faire en sorte que les uns et les autres arrivent à se comprendre, raffermissent les relations déjà existantes et donner une confiance, pourquoi pas, entre population et les forces de défense et de sécurité. Je pense que c'est, ça serait très bien vu et essayer également, comme euh, Agadez à Bianou, euh, Dosso al Toubal, donc essayer vraiment de euh, faire en sorte que nous ne perdons pas de vue ces fêtes traditionnelles et religieuses. Mohamed certaines personnes estiment que cet événement culturel célèbre l'accueil réservé au prophète Mohamed, paix et salut de Dieu sur lui, par les habitants de Médine lors de l'Égir en 622. On pense aussi qu'il s'agit de la commémoration des victoires guerrières du temps des guerres saintes. Euh, que peut-on retenir au sujet de cette euh, manifestation culturelle et religieuse il y en a même qui sont allés au-delà même de l'avènement du prophète pour dire que ça célèbre aussi euh, <laughs> l'arche de, Noé. Donc, voyez, c'est très donc, euh, profond dans l'histoire euh, donc ce qui est quand important, c'est quand même il y a cette notion, dimension religieuse donc, et culturelle à la chose. Vous l'avez effectivement dit, donc on sait comment le prophète a été accueilli justement avec les chansons à l'époque. Donc c'est un peu ça, véritablement, les gens vont sortir un peu, je crois, 6 kilomètres de de la ville. Quand ils reviennent maintenant, on, essaie de rééditer cette, euh, victoire donc, euh, de, de, l'islam. Mais en fait, ici, euh, sais que lorsque on parlait justement de pourquoi pas donner une dimension un peu que la présence donc de l'autorité au, au, au, au, sommet. Peut-être qu'avec la, la cure salée, il fallait peut-être couper la porte en deux, le côté festivité ramener ça peut-être à Engel au niveau de la cure salée pour drainer plus de monde, euh, puisque en tout cas, les, gens d'Agadez euh, veulent vraiment aller euh, chaque fois que le bien, en tout cas, le mois est venu, c'est le, le, mois de Muharram, je crois, jusqu'au 9. Mhm. Donc, sinon, le côté religieux, parce que, comme vous l'avez dit, certes, il y a une incursion au niveau du, de l'autorité administrative, mais tout se converge vers l'autorité religieuse, donc chez le sultan. et là-bas, effectivement, il y a des invocations à, à faire. Bref, moi, je pense que euh, voilà un événement, en tout cas, comme on dit, vraiment authentique, unique à ce genre, en tout cas ici, ici au Niger, mais qu'il va falloir euh, peut euh, les hommes de culture réfléchir euh, pour donner en tout cas un, contenu peut-être. Euh, dans tous les cas, une chose est sûre, les gens d'Agadez, euh, on, voit une fois que le, moment est venu, ils ont tendance à aller comme souvent en vacances, vous voyez, à retourner donc, au barcail, se ressourcer. je pense qu'en tout cas, il y a quelque chose d'intéressant qui fait que, bon, venir vivre ce qu'on a vécu pendant, pendant, l'enfance, ça permet à tout le monde effectivement donc de... Mais je pense qu'il y a un côté touristique. Euh, évident aussi à côté. Donc, Vous avez une fois assisté à la, fête de Bianou euh, On observe ça, euh, tout le Nigeria en tout cas, même si, pas, même tu pas allé, tu vois ce qui se passe. Et aussi, les gens d'Agadez nous racontent dans les détails vraiment ce qui se passe. Mais faisons attention quand aussi, comme on dit, aussi une dimension religieuse, qu'il y les moins de syncrétisme, en tout cas, ça... Syncrétisme, ça moins de syncrétisme. <laughs> en tout cas, je me rends compte qu'il y, a des bidets à qui... Oui, c'est-à-dire après le sultanat, la fête se poursuit dans toutes les artères de la ville. Les groupes de danseurs se rendent alors euh, des visites à des dignitaires, aux personnes âgées qui ont marqué le Bianou et qui leur ont légué cet héritage culturel et religieux euh, qu'ils doivent préserver et pérenniser pour euh, les futures générations. Comment pérenniser, préserver et promouvoir davantage cet héritage euh, préserver, vous savez, la ville d'Agadez, une partie, je crois, l'ancienne ville, notamment la mosquée, inscrite mhm. dans le, patrimoine mondial de, de, Peut-être fois que les gens plaident, en tout cas au niveau de la diplomatie, comment faire en sorte qu'effectivement maintenant, absolument, et aussi côté touristique encore, comment aussi au niveau d'Agadez faire en sorte que, en tout cas, cette fête-là, au-delà du désert, en tout cas, beaucoup de, beaucoup de monde, effectivement les conditions de sécurité vont le permettre. C'est aussi une possibilité, euh, de, en tout cas, c'est une raison. Déjà, le, désert, vous savez, à Gadez, avant, euh, ça fait rêver. Donc, en tout cas, faire en sorte que le tourisme religieux, en tout cas, soit développé autour de cela comme euh, une sorte de ciment, en tout cas, à, en tout cas lorsque les gens euh, comprennent de, de, quoi il s'agit, je pense que les gens ont tendance à aller, à aller vivre, vivre, cela. On peut déplacer cela, mais je pense que, comme je l'ai dit, le fait qu'il y a des sites appropriés, donc c'est religieux, le sultanat, c'est, on doit venir en bas Donc vraiment, je pense qu'on a un, un, ministère de la, de la culture et je suis sûr qu'il y a des acteurs culturels, en tout cas, euh, qui sont en train de travailler là-dessus. donc on ne peut que demander, en tout cas, te donner un contenu plus vraiment euh, éclatant à la, à, fête, euh, de cette que ce soit plus national. Merci on a servi une courte pause. Actualité internationale, les résultats provisoires des élections législatives sénégalaises sont tombés jeudi 4 août 2022 après plusieurs jours d'attente. La coalition du président Macky Sall passe de 100 25 députés à 82 sur les 165 que compte l'Assemblée nationale. L'opposition a obtenu 80 sièges au total, dont 56 pour la coalition d'Ousmane Sonko et 24 sièges pour celle de l'ancien président Abdoulaye Ouad. Il y a également trois coalitions qui ont obtenu chacune un siège. Maimouna Diado, le camp présidentiel perd la majorité absolue selon les résultats officiels provisoires. Comment expliquer cette dégringolade euh, de la coalition du président Macky Sall à ses législatives au Sénégal? Moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que euh, il fallait s'attendre à ça. 225 députés à 82. Euh, il fallait s'attendre à ça. Il fallait s'attendre à ce que nous assistons à, ce que nous voyons avec euh, la majorité. Et, il perd la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. La majorité absolue. La majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale, parce que il, fallait s'attendre, comme je l'ai dit, à un, un bon observateur, avec tout ce qui se passe au niveau ces derniers au niveau donc du Sénégal. Et même de la sous-région avec la crise malienne. Avec la crise malienne, donc moi je me dis que c'était une sanction de la part donc des populations. Des Sénégalais. Des Sénégalais, parce que les Sénégalais ont tellement critiqué ces deux dernières années le régime, euh, la politique, la euh, politique euh, en tout cas du, président, Macky Sall. Et comme Macky Sall aussi, c'est quelqu'un qui, qui n'aime pas voir les gens dans la rue en train de manifesté, je pense qu'ils ont réfléchi autrement en disant, bon, les législatives, pourquoi ne pas essayer de le sanctionner de ce côté Parce que c'est les législatives qui déterminent aujourd'hui la position aussi aux élections présidentielles. Nous voyons déjà euh, la position, quand tu n'as pas l'Assemblée nationale, il faut pas se réjouir aussi, parce que tout peut changer, mais je me dis que c'est l'Assemblée nationale qui est très important euh, à ce niveau. Et s'il n'a pas la majorité absolue, donc ça veut dire dire qu'il a beaucoup de craintes aujourd'hui pour ce qui est des élections présidentielles à venir. Alhaji Souleymane, c'est la première fois euh, depuis l'indépendance du Sénégal en 1960 que la formation au pouvoir perd la majorité absolue et qu'elle devra s'appuyer sur euh, d'autres forces au Parlement pour faire passer euh, ces lois. Quelle autre marge de manœuvre euh, reste-t-il au président Macky Sall Je commencerai par dire d'abord comme c'est un camouflet, c'est un revers électoral. Quand même, il est au pouvoir, c'est son deuxième mandat. L'autre leçon qu'il faut tirer, c'est que la classe politique traditionnelle sur le pouvoir, effectivement, a perdu la face même euh, l'ancien président Abdullah Ouad, vous avez vu, il a 24%, sa coalition a 24%. Donc la classe politique traditionnelle est en train d'être euh, désavouée par l'opinion publique, en tout cas par les Sénégalais. Comme conséquence, cela veut dire que, en fait, le vrai gagnant, disent certains, euh, c'est Sanko le jeune, euh, euh, euh, en tout cas opposant, opposant qualifié de populiste à à raison. Donc c'est lui vraiment qui a, qui a gagné. Mais l'autre marge de manœuvre, parce que tu parles de ça le marge de manœuvre, c'est qu'à la différence de la France et du Niger, le Sénégal c'est un régime présidentiel. Même si elle appelle la majorité, dans, tous les cas, il elle, a, a, déjà en fait, si vous voulez avec un peu d'argent, un peu de, de manœuvre, il pourra. Parce que déjà, en fait, il a, il a 80 82, députés. Les autres en 89, c'est les trois qu'il faut donc euh, chercher à, à, courtiser. Mais d'autres aussi, même au sein des coalitions de l'opposition, tout est possible. de qu'on connaît très versatile, euh, il pourrait négocier l'amnistie pour son fils. En tout cas, il y a de, beaucoup de, pistes, en tout cas, qui font que, et aussi, on a vu l'opposition pendant la campagne électorale en tout cas, on sent vraiment, il y a des poches où le pouvoir pourra effectivement les favoriser dans le sens de, de les diviser. Dans tous les cas, euh, ça, j'ai dit, c'est un élément, en tout cas, le juriste, euh, le Sénégal a un régime présidentiel. Donc, quel que soit le cas de figure, le président dirige, le gouverne, ne en tout cas. Mais n'a pas la majorité au, Parlement, il ne peut pas faire passer ses lois. L'Assemblée, je pense que ça n'a pas bloqué euh, la marche des institutions. La, marche, parce que le, pire, c'était quand il y a, une motion de censure, comme on le fait chez nous, parce qu'en fait, quand le Premier ministre, parce qu'en vérité, sur le régime euh, c'est le Premier ministre qui a, le vrai pouvoir, pas le président. On a vu chez nous, ou même le Premier ministre, en tout cas, peut même empêcher au président les moyens de, se déplacer. Il peut donc euh, jouer le tout pour le tout, juste pour s'assurer une majorité donc euh, confortable pour pouvoir. En cherchant les trois donc, mais j'ai dit, en tout cas la, la vraie leçon de ces élections sénégalaises, c'est que on se rend compte à l'évidence véritablement que les partis traditionnels, tout simplement, c'est peut-être que les trahisons les promesses non tenues. Et vous savez très bien aussi, euh, Macky l'autre élément aussi qui a joué à sa, défaveur, c'est sa visite assertiste. On n'a pas en tout cas tranché. Il n'a pas dit qu'il ne va pas briguer un troisième mandat. il n'a pas non plus préparé Vous savez, même pendant le local, euh, un de ses euh, lieutenants a osé dire que oh, Makissal va juger <laughs> Donc, vous voyez, effectivement, et, il a déjà perdu depuis le local, il a perdu les, grandes villes. Donc, euh, bref, c'est dire que véritablement, c'est l'occasion pour lui de comprendre que son troisième mandat ne passera pas. Ousmane Sidikou, selon certains experts et observateurs, ces résultats pourraient convaincre le président de la République désavoué par les urnes de renoncer, Aladji Mohamed Suleiman l'a dit, au projet qui lui est prêté de se représenter à l'élection présidentielle de 2024. Quelle est votre opinion à ce sujet Je ne serai pas totalement pour euh, cette euh, éventualité à partir du moment où, dès le local, il a essuyé un surrévers. Donc si tant est que ces résultats, ce désaveu électoral-là pourrait y être à revoir sa copie, notamment le flou artistique qu'il est en train d'entretenir sciemment quant aux velléités qu'on lui prêterait pour remplir pour un autre mandat. Parce que d'autres chefs d'État l'ont fait. On mais peut pourtant, un coup d'État constitutionnel. Bon, en tout cas, euh, <laughs> il ne va pas oser. Allah l'a si bien dit. C'est la preuve que aujourd'hui, en tout cas au Sénégal, les faits sont en train de donner raison à ce jeune, ce fougueux qu'est Sonko. Je ne pense pas que ce revers-là puisse y être pour quelque chose. Mais l'un dans l'autre, moi je pense il doit vraiment euh, revoir sa copie en faisant profil bas. Parce qu'aujourd'hui, il y a un désaveu total. Non seulement sa gouvernance est fortement décriée, il faudrait aussi que dans ces relations bilatérales, multilatérales, je prends par exemple sa position avec euh, le Mali, je pense honnêtement qu'il a été dans un cas de figure où c'est un mouvement qu'il a apporté quand il a machiné contre Ouad. Donc moi je pense que l'expérience c'est la somme de nos erreurs. Il aurait dû tenir compte de tous ces revers-là du temps de Ouad pour les capitaliser et ne pas vivre ce qu'il est en train de vivre. Bien que certains pensent que les trois députés des différentes coalitions-là seraient sérieusement courtisés, quitte à jouer son vatou, moi je pense que euh, même les résultats-là, c'est-à-dire dès les résultats des locales, ça aurait dû le ramener à la raison. Mais comme on dit, la euh, l'appétit venant à manger, peut-être qu'il pensait qu'il euh, allait sortir la tête de l'eau à travers ces législatives, mais il l'a appris qu'à ses dépens. Je pense honnêtement que Maki doit revoir sa copie et fixer tout le monde, qu'il sorte clairement et qu'il dise voilà, voilà ce qu'il en est. Ousmane Sidikou, Yewi Askanoui, principale coalition de l'opposition formée autour d'Ousmane Sanko, arrivé troisième de la présidentielle de 2019, s'est allié pour les élections à la coalition Falou Sénégal dirigée par l'ex-président Abdoulaye Wade, élu député à l'âge de 96 ans. Quel avenir politique pour Ousmane Sanko, l'opposant moi, je pense qu'il ne faut pas trop crier victoire, hein, parce qu'en ce moment, celui qui a les, cartes à jouer, moi je dis que c'est Wad. Donc maintenant, là, je l'ai si bien dit, pour des dessins politiques cachés, euh, il pourrait vraiment, euh, au plus offrant, euh, ne serait-ce que la grâce pour son fils ou bien les poursuites contre ce dernier. Moi, je pense que il faut pas trop crier victoire. on est en Afrique, on sait que les enjeux liés autour des élections et les dessous tout comme d'autres desiderata, see. euh, ainsi. <laughs> quel avenir pour l'opposant, le jeune opposant Ousmane Sanko au Sénégal Le jeune opposant, bon, il fait ses débuts, il est là. Peut-être que ça peut aller, ça peut marcher. Peut-être que ça peut aller, ça veut oh, dire. ça peut marcher pour lui. On l'espère, on espère avoir un jeune quand même euh, président. Pourquoi pas parce que c'est vrai, quand vous faites deux mandats, mais il faut essayer aussi de laisser la place à d'autres. Nous, c'est ce que nous espérons. On espère que Maki ne va pas, en tout cas, être devant les, les écrans pour dire qu'il sera pour son troisième mandat. Il va se présenter pour un troisième mandat. Il faut au moins se laisser la chance à cette jeunesse. Cette jeunesse en a grand besoin en Afrique. Oui, pour euh, le jeune Sanko, vous savez, Macky Sall a contribué à le rendre plus populaire en réalité, puisqu'il a tenté à, vraiment à le disqualifier politiquement. Même l'affaire euh, de Meurs, donc la, la, masseuse, euh, cette affaire-là n'a pas mhm. prospéré. Et il y a eu des aveux qui ont été faits vraiment par un, je crois, c'est un militaire, en tout cas. Franchement, je pense qu'il a fait, Macky Sall a exagéré, il a fait pour le fils de et Khalifa Sall, le maire de, Dakar. Il les a enfermés. Maire, de Dakar. il les a enfermés. Il a voulu rééditer encore avec euh, Sanko. Les Sénégalais ont compris, en fait, il ne voulaient plus avoir d'adversaires. Il veut liquider les, les politiques. Et je pense que ça, ne marche plus, quoi, en tout cas. Ce qui fait que le jeune Sanko, en tout cas, il est propulsé aujourd'hui, je pense que, euh, même si selon en tout cas, certains euh, analystes, il a 15%, je crois, euh, au niveau donc de son électorat, donc il est favorable. Je veux dire au niveau, parce que aussi y a des régions là-bas au, Sénégal, mais on se rend compte que ils ont gagné parce qu'ils ont une stratégie, ils ont fait des coalitions. Donc l'opposition a, été plus stratégique que le pouvoir, donc ils ont fait des coalitions. Et je pense que c'est cela qu'on voudrait voir euh, lorsque les gens vont en tout cas promouvoir en tout cas des, ruptures. C'est cela, être patient, se, se battre Aujourd'hui, Ousmane Sanko, en tout cas, montre que il est possible effectivement d'inverser la, la, tendance. La situation au Mali n'a pas pesé dans la balance au sujet de cette situation Ça pourrait peser, mais je ne suis pas sûr que ça pèse grand-chose. Euh, il y a ici que au Sénégal, c'est un grand pays. En Afrique, euh, les gens sont très cultivés. Je veux dire que même au niveau du débat politique, euh, euh, les jeunes ne vont pas s'attarder sur des considérations ici. Euh, la question malienne, c'est une question de diplomatie. Non, je pense que ça pourrait peser, mais pas de façon... Parce que chaque pays, au moment des élections, a ses propres réalités. Donc, euh, moi, je ne suis pas sûr que le, résultat... Parce qu'en fait, vous voyez, en, réalité, le résultat, même de cette en tout cas, tout simplement, c'est quand même assez assez vraiment spécial. Parce que tout simplement, on se retrouve dans une situation où le peuple sénégalais a fait un vote où on se retrouvé avec euh, le pouvoir avec 80, 82, 82 députés. Les, euh, les, les, deux, les, de l'opposition, 56 contre 24. Donc finalement, euh, qu'est-ce qui a amené les gens à, voter Moi, je pense plutôt, comme l'a dit la gouvernance de Macky Sall, qui non seulement d'un point de vue de, donc de, la, gestion ne rassurait pas, mais aussi des contre-valeurs, donc effectivement la question de, de, l'alternance. Aujourd'hui, Macky Sall croit qu'il pourra effectivement, en fait, euh, de, dans la femme. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, je pense que dans chaque pays, il aurait pu, par exemple, dans sa campagne, dire que au Sénégalais, je ne briguerai pas un, second mandat. Ça pourrait effectivement vendre plus sa euh, sa posture. Merci Alaji Mamadou Souleymane. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités Alaji Mahamadou Souleymane, directeur de la rédaction du journal Niger Inter, Mamouna Diado, journaliste indépendante et Ousmane Sidoukou, journaliste indépendant également. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. longo Rendez-vous samedi et dimanche euh, dès 17h euh, sur euh, nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivis de tous à la FADA et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum à Hausa et dimanche, celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assuré par Amin Hassan, à la réalisation Seini Isaka. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.